Donc euh, nos attentes, je pense qu'une partie de nos attentes ont été, euh, disons, euh, entendues, dans la mesure où lorsque nous avons vu le premier projet de loi, on a donné nos observations en disant que le crime, le viol et la pédophilie n'avaient pas été criminalisés. Et il est heureux de constater aujourd'hui que euh, ces observations ont été prises en compte et à l'heure actuelle, dans la nouvelle version, et nous saluons, euh, je pense, euh, le président de la République d'abord qui avait promis et le ministre de la Justice qui a quand même revu le projet de la, la, première version qui avait été déposée, puisque à l'heure actuelle, il nous a annoncé que euh, le viol et la pédophilité avaient été euh, criminalisés. Ils sont punis donc d'une peine de réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans et de 5 ans à 10 ans. Ce projet de loi qui est une grande avancée, une grande avancée pour l'agenda des femmes s'agissant euh, de, en euh, tout cas, tout ce qui est reporté sur euh, les violences basées sur le genre en général, mais le viol et la pédophilie en particulier. Hein. C'est le lieu également de saluer le président de la République pour cet acte très, en fait, je dirais, très courageux de sa part et très hein, engagé euh, d'une loi, d'un projet de loi euh, sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Ce qu'il y a lieu de noter également, au-delà de l'avancée notoire que cela a occasionné, que cela occasionne, euh, le projet de loi, s'il est appliqué effectivement, et si le viol, cet acte et euh, effectivement euh, sanctionné, criminalisé. Euh, c'est en tout cas, cela permettra non seulement de dissuader et de d'amener à la persuasion, un acte persuasif contre les violences, mais également permettre euh, à ce que euh, les violences basées sur le genre, et notamment le viol et la pédophilie, puissent reculer. Le président a fait ce qu'il devait faire et euh, nous ne le remercions jamais assez. Ça veut dire qu'il a agi en tant que protecteur des femmes, des enfants, des groupes vulnérables dans ce pays-là. Euh, et, euh, l'atelier que nous sommes en train vraiment de vivre, euh, pour, pour nous, Réseau Sigue c'est extrêmement important parce que ces trois étapes qu'il faut observer dans le cadre vraiment de ce projet de loi. D'abord, l'étape d'avant, on aurait dû peut-être être un peu plus proactif pour avoir cet atelier avant la proposition du ministère de la Justice. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, comme nous en sommes à l'étape 2, vraiment d'examen euh, du projet de loi. C'est tout heureux que les femmes parlementaires de l'Assemblée nationale avec le ministère de la Justice puissent véritablement réunir tous les acteurs autour de ce projet criminaliser viol parce que du euh mu nek délit ci réew mu tonni Sénégal nit yi perpétrer ñuy violer ay nit ba yamatu ñu ci violer di donc euh, Sénégal ñu ci nga suñu euh, euh, vraiment indi loi bi ñun dañ am contentement am soulagement soulagement pas pour les personnes qui sont mortes pas pour les pour les personnes nga mais ñi ils ont subi ce viol ils ont subi des actes pédophiles sans pour autant mën par peur des répercussions euh, sociales